enquête bi euh, Mamadou Fofana m'angle ngi la doon samp laaj euh, mané ne ndax euh, bu fekkee ni enquête ñi génn ni ñi ñàkk seen bakkan <coughs> Simon nee na moom gëmul ni dinañ situer responsabilité yi foofu Mais ma sampaat laaj laaj la ba xam ndax ñoom bu fekkee ni ñi nekk ci seen biir tey bu enquête fësaloon ne ñi nekk ci seen biir am ci part de responsabilité est-ce que vous espérez qu'il y ait vraiment sanction punition

c'est normal que lu melni en tant que chef de l'État nga chef de l'État jouer le rôle président de la République moudi demande des comptes exactement xol également le préjudice évaluer ko pour peut-être après si nous restons sur les principes moi en tirer toutes les conséquences

ñaata nit ñoom ñoo ci faat quatorze morts oh, pratiquement dossier Adji Sarr Ousmane Sonko moom nañu ñu a lijjanti que ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan hmm. c'est vraiment dommage tey jii nii dinañ ko def pour rester sur les principes parce que jouer le rôle peut-être de chef de l'État mais amul dara ne ni et surtout ni à huit mois euh, euh, tu me euh, de la tenue de la présidentielle de 2024 donc nous nous nous et pourtant nous nous depuis mars 2021 que tey les auteurs de ces meurtres là wala soient soit nous traquer l'un, arrêter l'un, pourquoi pas même euh, traduire l'un devant la justice Pourquoi des faits pour que eux, yu mel nii bu amatee kat du dans cette situation là et que comment mu donne, comment ku donne les deux lay dëgg moom mooy situer les responsabilités côté côté policier côté manifestant il faut situer les responsables parce que lolu moment moy maintenant c'est dommage que le président rappelle le président euh, euh, euh, tape deux points sur la table le président ainsi de suite donc invite mais après au finish dans la réalité des faits amul suivi amul njeexital et c'est vraiment dommage. Fabrice Minko est rappelé ce matin. Les ministres, les démembrements de l'État, les services déconcentrés, décentralisés, mais c'est pour mettre traduire de la vision du président de la République. Mais malheureusement, et c'est vraiment dommage. ni non la tribune di président Macky Sall dafa laaj ñu euh, def ko compte euh, euh, demande des comptes ordonne une enquête et réclame un mémorandum Simon Faye oui, euh, c'est sa posture en tant que chef de l'État, même si certains le considèrent comme acteur politique et même euh, un peu à l'origine de cette situation, mais n'empêche, en Conseil des ministres, il est là en tant que président de la République, en tant que chef de l'État sénégalais. Et c'est tout à fait normal qu'il demande des comptes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé Lan Sen Bakan, euh, quelle évaluation on en fait quelle responsabilité doit-on en tirer et peut-être éventuellement également des leçons et c'est tout à fait normal que mon monnaie que dans cette posture mais man je combien d'enquêtes on a essayé de mener combien d'enquêtes on a initiées combien d'enquêtes on a annoncé est-ce que enquête bi dina parce qu'il faut rappeler que ce contexte c'était entre le 1er et le 3 de ce mois de juin mm-hmm. il y a eu mars 2021 avec 14 morts. Il y a eu une enquête indépendante de enquête tout court à enquête indépendante dara mhm. est-ce que enquête d'Inaam est-ce qu'on va situer les responsabilités est-ce qu'on va en tirer des leçons on verra bien quand il le demande à ses propres ministres peut-être qu'il nañu ne mais on a vu avec euh, la une de certains quotidiens que les familles euh, des victimes sont aujourd'hui euh, éplorées. Abandonnées à Il y a problème. Il y a des gens qui font difficilement le deuil de leurs parents disparus. Peut-être également que le président de la République, mais man, enquête personnellement, parce qu'il y a eu d'autres situations, enquête amoul. Enquête amoul. Donc, Qu'est-ce qui pourrait me faire croire qu'enquête peut-être d'une dina aboutir Je ne sais pas trop. C'est juste des faits que je pose sur la table et c'est des faits justement que j'essaie d'analyser. y a une enquête ci manifestation yu une nous, la ñu au Sénégal Quand moo rey nous ñu pourquoi ñu reyee non surtout des blessures par balle surtout des morts par balle kan moo tiré qui étaient ces gens de quel bord ils étaient on verra bien peut-être que yomb na def peut-être une estimation économique faire peut-être un mémorandum mais véritablement enquête pour situer des responsabilités et imputer cette responsabilité à des gens def naa dina dina dinañ toog lu yag duñ ko am. bu enquête peut-être si mais na loo xam ne mënta ñàkk. waaw université bi ni ko enquête donc ma enquête boobu gëm BRT bi nga xam ne nii la ñu ko def ni ñu ko caxat caxatee enquête moom see ñàkk peut-être bu ñu ma waxoon tey ji ñu ne ñi nga xam ne ñoo si faatu il faut ñu ubbi enquête loolu xam nga bëggaan doon na ko fi wax ne il faut enquête am moom waxoon na ko comme ni mu dànqaafu woon ci affaire mandat bi mais enquête boobu ñiy faatu bu ñu ma waxee ne dinaa man dinaa ci xam nga la moo tax ñu njëkk faat te si même dossier bii la booy boole ñi faatu rek jege ñu 30. ñoo xam ne ñoo ci faat si dossier bi. te ñi njëkk faatu ba fii kenn xamul enquete kenn xamul fu mu toll. ñu bëri nañ wax ne peut-être le temps de la justice nekkul euh, euh, temps justiciable bi lu mu ci manti doon mais te enquête yooyu comme te boobu noonu yooyu moo taxaw boor ñu faatoogum ba léegi lijjanteegu lañ kon ñii faatu bees ni ñoom dañuy xaar. Mm-hmm. ci sama xalaat bu gàtt. te loolu du yoon du yoon. du yoon wara lijeenté buñ waxé enquête dañu koy def ci ñi yak université Cheikh Anta Diop enquête dañu koy def ci ñi nga xamné ñom ñoom ñoo song BRT bi non la wara défé enquête yi nga xamné ne ñoo faatu parce que bakken bu rot la les matériels la ok lu baax la ñun ñëpp ñoko mom mais bakken bu rot la donc gëm na né enquête dina am ci affaire université BRT bi mais enquête comme Simon ni mu ko waxé peut-être ci euh ñi faatoox yooyu ah xëj na dina am xëj na dina am mais fee moom gëm naa ne enquête dina am.